Madame la ministre de l'économie numérique et des télécommunications, porte-parole du gouvernement, notre sœur Lady Kenyaï, Bienvenue. Nous sommes dalal et ci Noto Monsieur le ministre directeur de cabinet du président de la République, monsieur Augustin Tin. je

Ndeye Fatou Ndiaye Fatou ci initiative Mang ngi lay ci sa audace aussi ci action yi ngay def yépp pour nous Nous muy tàggat muy transformation muy allègement des travaux kon ci turu commune Notto Diobass ngi wax gàcce ngalam di féliciter yow bi ma sa yaay bi boole ak yow xale boobu tuuti ngoon ëpp na léegi mat fanweer te nee naa la kaddu yaay moom du réer àll jamais yaakaar naa comprendre li ma la wax ñu ngi sant bu baax maire ci teggin yi ak ci éducation bi lii nga def tey yaakaar naa say nawle dinañ ci gën a xuus dañ ci sore mais li da ndamal département de Thiès ndamal Sénégal kon jërëjëf honorable député Fatou Sen, madame la directrice régionale d'ONU Femmes chères femmes de la région de Thiès distingués invités monsieur le préfet du département de Thiès monsieur le sous-préfet du département de Thiès mesdames messieurs les chefs de service dañ bëggoon euh, wax bu baax euh, ne tey bés bu rëy la pour la commune Notto Diobass bi nga xam ne maa ngi jël seen kàddu di leen wax dal leen ak jàmm di wax ne bés bi nga xam ne yéen a ngi célébrer la journée internationale de la femme rurale ci turu population yëpp ñu leen di sant ci li ngeen tànn la commune Notto Diobass madame le ministre jërëjëf Marius la femme la commune de Noto c'est plus de 500 communes du Sénégal ngeen jël fi la femme rurale Cette journée internationale représente une opportunité d'informer et de sensibiliser le grand public sur les thèmes liés aux enjeux du moment et aux enjeux majeurs du moment. Le thème de cette année est d'autant plus important qu'il porte sur une question très importante pour les femmes, certes, mais aussi et surtout pour notre pays engagé sur la voie de l'émergence à travers la vision de son Excellence, le président de la République Macky Sall. En effet, le renforcement de la résilience, mais également la résilience des femmes et des filles face à la crise climatique, qui est le thème retenu, montre si besoin est le rôle central que joue la femme dans nos économies essentiellement agricoles. Madame la ministre, chers collègues du gouvernement, mesdames et messieurs, permettez-moi d'appeler simplement quelques éléments de chiffres au nom de la commune de notre Diabas, puisque nous sommes une commune essentiellement rurale. C'est pourquoi je voudrais encore une fois rendre un hommage mérité à cette vaillante femme courageuse audacieuse qu'est notre sœur Ndeye Ndiaye pour les initiatives oh, qu'elle prend pour la femme rurale, mais également pour la communauté de base. D'après les chiffres de l'OIT, notamment sur les tendances de l'emploi des femmes en 2017, une femme active sur trois travaille dans l'agriculture. Elle ramasse des biocombustibles, traitement manuel des denrées alimentaires, et 80% des ménages sans eau courante dépendent des femmes et des filles pour la collecte de l'eau. Et Madame le ministre, je peux vous témoigner que dans la commune, des efforts assez importants ont été faits pour alléger justement les travaux des femmes en milieu rural, notamment en mettant à leur disposition des moulins à mine mais aussi à travers des formations. Et je pense que notre sœur vous présentera également un site assez important ici. Pour conclure, je voudrais donc simplement espérer qu'avec l'engagement de tous et de l'appui des partenaires, cette femme rurale, courageuse, dans sa dignité, puisque les femmes rurales, elles n'ont pas l'apanage d'être dans la rue pour porter des brassards rouges. Et souvent, c'est elles qui manquent d'électricité, c'est elles qui manquent de routes, c'est elles qui manquent d'infrastructures, mais pourtant, c'est elles qu'on entend le moins. Donc je voudrais donc, euh, avec l'engagement de tous, que cette majorité silencieuse ne soit pas oubliée dans nos actions, ne soit pas oubliée dans nos prières, mais également dans nos actions de tous les jours. Je voudrais encore une fois, au nom des populations de Diabas et à mon nom personnel, vous remercier Madame le ministre, remercier l'ensemble des collègues du gouvernement qui sont également présents et féliciter encore une fois les femmes pour cette brillante initiative et vous faire joyeuse fête. et bonne journée internationale de la femme. ministre de l'économie numérique et des télécommunications porte-parole du gouvernement ah ñu ko comme niñ ko parrainé Augustin Tine ndax it nag dañ leena a am ñu nekk ci gox bi Alioune Sar mom mo recevoir gan ñi ñok mom ñoo bokk gan ñi ñu nuyu kilifay diina yi nga xamni ne ñoo fi top Serigne Lamine nag fi Serigne Djili Serigne Mouhamed Kunta ak ñeneen ñi nga xamni ñu nga ñeete wet ga ñoo tudd ñepp ndax ku lim ngay juum way wala nga doomatal di nuyu jigéen ñepp ñi jóge ci région yépp ñu ngi leen di nuyu. Au nom de l'ensemble des femmes rurales du Sénégal pour magnifier le partenariat fécond qui lient ces femmes à leur gouvernement, mais particulièrement à leur ministère de tutelle. Les femmes représentent une force incontournable sur les plans démocratiques, social et économique pour le développement du pays et son émergence à moyen et long terme. Il faut noter, pour donner quelques indications, que nous, femmes rurales, représentons 60% productifs agricoles du pays, que nous, femmes rurales, produisons 80% des denrées alimentaires de ce pays, que nous, femmes rurales, représentons la clé de la stabilité sociale, de la paix en milieu rural. ñu nuyu monsieur le directeur Gune nuyu sama sœur Ndeye Fatou Ndiaye yaakaar naa ne dafa gàtt pour ma mën fee taxaw sax di wax leen waaye di gërëm itam jigéen Ndeye Fatou Ndiaye ak jigéenu yëpp yi nga xam tey ne tey permettre nañ ma ci octobre rose bii tey ma taxaw mën a wax ci affaire u cancer ah li ci ëpp solo def nañ ko démb mu di dépistage bi waaye am na njëriñ. pour ñu waxaat ak jigéen ñi lan mooy cancer euh, du ñu yem ci lépp nag dañuy wax la cancer di kol ndax mooy na ci cancer yëpp suñ dee jël li ëpp liy faat jigéen ñi boobu ci la. maa ngi nuyu chef religieux yi ma madame nen Ndoye maa ngi lay jox sa wàccuwaay maa ngi jox waay jigéen ñi ci toog ñëpp. fàttewuma nag madame Ndeye Fatou maa ngi lay jox sa wàccuwaay comité exécutif bi comité consultatif bi yëpp maa ngi leen nuyu journaliste maa ngi leen nuyu sama mbokk femme rurale yi maa ngi leen di nuyu ndax kat man dama kontaan tey ndax dama di jigéen te ñuy sargal jigéen te jigéen bés bu set lañ ko war a sargal rawatina nag femme rurale ndax bu njëkk kat buñ la nee kaw kaw nga da mer. wante tey dañoo fier d'être femme rurale fier d'être femme rurale loolu lay wax toujours assemblée man je suis fier d'être femme rurale ba pare nag ñu nekk ay yaay boole ci ndax jigéen moom la yàlla fonk bañ na ko ba màngasiinu yàlla la ndax doomu aadama la yàlla jëg gën a fonk te ci jigéen lay sosoo ci jigéen la ko yàlla di def kon nag dañoo war a sargal jigéen bu baax rawatina nag bi ko président Macky Sall xamee ndax avant mu yéeg la indi yoonu yokkute yi sargal ci jigéen ak xale ak ndaw ñu ñoom la ci sargal kon nag boobu ba léegi mu nekk si jigéen gi dooleel na jigéen ndax léegi instance de décision boo dem jigéen a nga fa boo ñëwee ci maire jigéen a nga fa nga ñëw ci ministre yi jigéen a nga fa fépp foo dem jigéen a nga fa kon nag gàcce nga la ma président Macky sal ministre de la femme de la famille et du genre. et de la protection des enfants. Madame Daïtike Ndiaye ministre des Télécommunications. Monsieur Augustin Tin, ministre de cabinet, ministre directeur de cabinet du président de la République. Monsieur Alioun Sar, maire de Noto. Monsieur le gouverneur de la région de Thiès. Mesdames, Messieurs les préfets, Messieurs les sous-préfets, Madame, Messieurs, chers invités. Permettez-moi tout d'abord de vous transmettre les remerciements et les encouragements du ministre Massoud en charge du développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, mais également vous dire combien il aurait souhaité être présent et communier avec vous. Madame la ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants. Monsieur le ministre du Tourisme, des Transports aériens, maire de la commune de Loto, Mon frère, Monsieur le directeur de cabinet, le ministre directeur de cabinet du président de la République, Monsieur le préfet du département de Thiès, Monsieur le sous-préfet, Madame le directeur général du CNES, honorable député, euh, Madame euh, la présidente du comité consultatif départemental de la femme, Madame Deifa Ndiaye, notre vaillante sœur, Coupumière et religieuse, chers partenaires, chers invités, chères sœurs, mesdames et messieurs, je vous salue. Permettez-moi de vous dire combien je suis honoré aujourd'hui de prendre part à vos côtés à cette belle cérémonie qui célèbre la femme rurale. Je suis d'autant plus honoré que le thème de cette année porte sur un sujet qui m'est particulièrement cher, à savoir contribuer à la responsabilisation directe de la femme rurale en marche vers l'émergence. Je voudrais également vous exprimer toute ma gratitude et ma fierté d'être la marraine de cette journée hautement symbolique. Votre mobilisation enthousiaste autour de la célébration de cette journée est la preuve de votre engagement à travailler sans relâche pour un développement économique et social des femmes rurales je dirais des femmes tout Je voudrais enfin vous dire que cet engagement de ma part aura l'écho qu'il mérite quand on sait l'importance que son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, accorde à l'autonomisation des femmes en général et de celles des, des, femmes en général et celle des femmes rurales en particulier. Je ne terminerai pas remercier mon frère et mon ami, M. Aloussa pour l'accueil si chaleureux et la mobilisation, mais aussi pour sa présence à mes côtés. Et tous les jours, tous les acteurs ici présents sont remerciés pour leur engagement et en faveur du leadership féminin. Euh, ñetti olof ci nekk te jii fii ci seen wet yéen jigéenu département bi jigéen ñi nga xam ne dañoo nekk euh, damay wax ci naaj bi parce que ñun ñoo nekk ci kër gi ma yenn saa yi ñu fekk si leen fi bu ma nuyoo autorités yi fi toog yëpp maa ngi leen di nuyu di leen remercier di jiital nag ci remerciement bi mooy présidente bu euh, Ndeye Fatou Ndiaye ci ni mu mel ci li muy liggéeyee bi ma ma wooyee ba wax ma fi ngeen jaar yépp ak réunion yi nga xam ne yeneen ko doon def ci président wu préfet euh, du département de Thiès li ngeen ci liggéey ak fi ngeen ko jaarale man dama yéen dama wax ne que ne ndekete formation yi ñu leen di defal ak ni ñu leen koy defalee ak ni ngeen koy génnee formation yi jaar na yoo te am na loo xam ne def na ko ci yéen ma gis organisation bi gis ci yoon bi mu jaar ak ni mu defee ma sant yàlla parce que sant yàlla benn jigéen rek bu jógee jigéen ñëpp dañoo war a tàcc ma kontaan ci thème bi waaye yëpp rek dañ koy dëxañ ci benn yëf mooy na jigéen mënal boppam na jigéen autonome na jigéen dañu am benn euh, auteur bu wax leen mu ni bu jigéen bi demee ba xam mooy kan fan la nekk li muy wut lan la ak fan lay jëlee moyens yi ak naka la koy defee mu ni développé na à cinquante pour cent li ci des da koy yokk te te loolu laa fi fekk euh, li ci des mooy lenn mooy li nga xam ne seen gouvernement def na ko seen président de la république def na ko moy def ay programme yi nga xam que ne daf leen di renforcer teg ko ci yenn département yi mais de façon spécifique mu teg ko ci ministère chargé de la famille je dirais programme yooyu yëpp dafa nekk programme yu mu ci ay mooy lan mooy que ne mu am yoo xam ne daf ko def di financement yi mu bàyyi foofu ak yi mu bàyyi ci yeneen maa ngi xaar microfinance euh, département microfinance maa entrepreneuriat rapide jeunes et des femmes crédit femmes, du ministère de la famille ak yeneen crédit yu mu crédit, moi, dafa comprendre faut euh, bala ngeen vous naan def soo pouvoir d'achat vous avez kon na capacité financière vous na ngeen xam yéenay kan parce que jigéen nag lu tax gannaaw ça on le dit da ngeen di xam yéenay leen leen di renforcer ngeen def ci seen euh, kamtulaay kàttam gëm gëm ko di ko jëfe ci fépp nag parce que amul leen lu jigéen lu góor mënta jigéen mënu euh, euh, diggante bi nag rural ak maa ngi koy waxante ak madame la ministre léegi ak ville bi fossé bi bariwul ku leen gis nii tey ni ngeen mel xam na fossé bi bariwul waaye mu yokkal ma ci léegi ne ma il faut ñu jël leen en charge de façon spécifique elle a raison parce que da ngeen am seen spécificité euh, lii nag euh, euh, dañ ko def rek journée de la femme rurale pour génn seen spécificité mbootaayu xeet yi moo leen jëkk jox njukkal jëkk leen considéré waaye seen président de la république buñ soxlawul sax ñu leen koy wax parce que xam ngeen fi mu leen teg xam ngeen li muy def ñun ñii mu fi teg ay jawriñ la ñu ko moo di et puis li mu wax ne nañ koy def nañ ko def dafa jiital jigéen gis ngeen ni ñun tey jii am nañu fi euh, ñaata ministre nga fi defe naa ne ñett ñeent en tout cas ñett ministre yu jigéen a fi ñaari ministre yu góor a ngi fi kon xam ngeen ne am na fu mu teg jigéen ñi ci ci foofu nag ci foofu laa yemale kàddu gi euh, di leen gërëm di leen sant di leen gërëm bu baax ci li ngeen ma def seen marraine journée bi xam naa ne xaw ma ndax matal naa ko waaye yéen matal ngeen ko parce que ni ngeen ma jëlee seppi ma jox ma ma nekk marraine bi dafay doo xam ne que ne man aw ma seen ngërëm waaye merci laa mën a yem kon jërë ngeen jëf merci à tous merci à chacun je vous remercie de votre aimable attention. Madame la ministre Ndèye Saly Dieng Diop ministre de la Femme de la famille, du genre et de la protection des enfants. Monsieur le ministre, mon frère Ali Sarr, ministre du Tourisme et des Transports aériens. Madame le ministre de Ndiaye Diop, des télécommunications, et de l'économie maritime. Numérique. Honorable député, membre du Haut Conseil des collectivités territoriales, membre du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le préfet du département de Thiès, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Notou, Madame la Présidente du Conseil consultatif, Monsieur le Président du Comité consultatif, Mesdames, Messieurs, imams, chefs religieux, Madame la Présidente, ONIFAM, Sornatinendoy, Mesdames, Messieurs, membres du Conseil consultatif des femmes du département de Thiès, Mesdames, Messieurs, chers invités en vos titres et grades, Kouchinek, ci Biko, ak bi borom bi président Macky Sall moo la célébration ce 29 octobre 2019 de la journée internationale des femmes rurales, ici à Kersa Daro, dans les Djobas, me donne l'agréable occasion de vous transmettre les sincères et chaleureuses salutations de son excellence monsieur le président de la république Chi madame le ministre de la femme président la cérémonie parce que le groupe le comité consultatif mais il m'a dit Bon, tu apportes les salutations de monsieur le président de la république en attendant que madame le ministre apporte aussi donc les salutations et félicitations de monsieur le président en effet comme il s'était agi d'une vision concertée, cette approche du développement qui a inspiré la communauté internationale à célébrer une telle journée correspond parfaitement à celle du président Macky Sall, très tôt déclamée dans sa politique du Yonu Yokuti, qui avait fini de placer la femme en tant qu'élément de vulnérabilité, mais aussi maillon déterminant de toute politique de développement au cœur de toutes les politiques publiques. Le programme Liguel qui constitue dans le PSE une suite logique du yonu Yokouté, ne vise pas autre chose lorsque, dans la vision 535 du président Macky Sall, il fait un focus dans le dernier quintet sur les accès universels que sont l'eau et l'assainissement, l'électricité, les services sociaux de base, les services de mobilité collective et enfin les services sportifs et culturels. C'est pourquoi tous les programmes économiques mis en œuvre et qui ont pour nom PIDC, bourse de sécurité familiale, CMU, Yop Comcom, carte d'égalité des chances, pour ne citer que cela, ont tous suffisamment pris en compte la très forte féminisation de la pauvreté. Il est par conséquent admis que si la pauvreté se conjugue plus au féminin qu'ailleurs, elle demeure beaucoup plus accentuée en milieu rural où, naturellement, le pouvoir d'achat est le plus faible, d'où la pertinence du choix de la célébration de la journée. Enfin, soyez assurés du soutien de Monsieur le Président de la République à toute action de développement entreprise par les femmes pour le développement de la famille. Monsieur le ministre, Monsieur le ministre de cabinet du président de la République, mon frère Augustin Tine, Monsieur le ministre, le ministre de l'économie numérique et des, télécommunications, ma monsieur le préfet du département de Thiès, monsieur le sous-préfet de, de, l'arrondissement de, Noto, honorable député, mesdames et messieurs les membres du Conseil des territoriale territoriales, mesdames, messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le représentant du ministre du Développement communautaire, Monsieur le maire de la commune de Noto-Diabas, Mesdames, Messieurs les maires des communes, Mesdames, Messieurs les représentants du département ministériel, distingués responsables politiques et administratifs, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations partenaires d'appui au développement, Mesdames les présidents des organisations nationales de femmes rurales, Madame la présidente du comité consultatif des organisations féminines département de Thiès, mes chères sœurs, femmes leaders et membres des organisations féminines de la région de Thiès, mesdames et messieurs distingués invités. C'est avec un grand plaisir et une fierté légitime que je me retrouve ce jour à Kersagaro dans la commune de Noto dans le cadre de la journée internationale de la femme rurale dont la célébration cette année a été décalée en raison du grand magasin de Touba. Je voudrais, ce faisant, remercier très sincèrement les populations de la commune de Noto et plus généralement le département de Thiès pour l'accueil chaleureux et enthousiaste qui m'a été réservé avec ma délégation. Dans cette expression de gratitude, me permettrait de réserver une mention particulière à mes chers collègues membres du gouvernement qui ont bien voulu faire le déplacement et répondre à l'invitation des organisations des femmes. Vous permettez, de citer le docteur Augustin Thine, ministre de cabinet du président de la République. Monsieur Aliou ministre du Tourisme et du Transport aérien. Ma sœur, Madame Diop Ndeti ministre de l'économie et de des et porte-parole du gouvernement. Chers collègues, merci encore pour votre prestigieuse présence et votre précieux soutien. qui traduisent vos sens élevé de la solidarité gouvernementale et votre engagement dans le portage de la vision du chef de l'État, son Excellence, M. Macky Sall. Je confonds dans cette expression les honorables députés, les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales et les membres du Conseil économique, social et environnemental qui ont bien voulu répondre à l'invitation. Je voudrais aussi remercier Monsieur le maire, monsieur le maire de la commune de, de Noto, pour le généreux messages de bienvenue prononcé à mon égard au nom des autres maires, des élus et des populations. Dans mes remerciements, je réserve une mention spéciale à Madame Tinindoy, Djenaba Sidibé Khadindaou Madame leader féminine, qui des années durant ont œuvré pour l'amélioration de la condition de la femme rurale aux côtés du ministère je me joins à vous tous pour saluer la présence à nos côtés des partenaires de la coopération bi et multilatérale qui accompagnent la mise en œuvre de la politique de développement de notre pays. J'ai bien entendu pris bonne note des engagements pris en leur nom par la directrice régionale de ONU malheureusement qui n'est pas là aujourd'hui, grâce à cette belle mobilisation des autorités et des responsables auprès des organisations féminines, nous avons vécu une journée riche et forte de l'ingéniosité et de la créativité des femmes et des filles du département de Thiès. Les belles importantes réalisations qui ont été présentées à travers l'exposition indiquent clairement qu'il y a ici un potentiel et une énergie pour relever les défis du développement. Je suis particulièrement honorée par cette organisation et cette belle mobilisation que j'interprète comme une nouvelle expression de votre adhésion à la politique définie par le chef de l'État son excellence M. Macky Sall.